Euh, kon nag tey fi lañ ci nek pour mëna xamal ñom lan lañuy liggéey lan mo nek ci biir nu ñuy travailler seen coono yi nga xamné mom lañ am seen difficulté yi kon bok tay ñi ngi dugg ci biir IEF Thiès département pour wan ñom ñi nga xam ne noonu la ñuy doxalee si biir. Euh, bonjour man maa ngi tudd Galaye Dieye je suis le secrétaire général de l'IEF de Thiès département euh, depuis 2018. secrétaire général euh, c'est un poste stratégique comme ni ñu koy waxé euh, manam moy inspecteur bi xamni mo top ci kilifa gi inspecteur euh, départemental bi comme ñu koy waxe ñu koy wooye inspecteur de l'éducation et de la formation voilà euh, pour lool nak ñun amna rôle yu ñu wara jouer rôle yu am importance parce que amna rôle yo xamni ni yef mo ñu koy moo ñu koy déléguer jox ñu ñu koy def comme signature yi su ma yeboo ni li ëpp ci signature yi man maa koy def quoi en tout cas dinaa ci def lu bëri waaw ci loolu bon délégation la quoi IEF moo mu permettre may mëna may mën a signer waaw euh, euh, leneen li mooy pilotage bi comme ni mu ko waxee ak coordination bi euh, lépp loo xam ne nii dafay dox ci inspection bi daan daanaka ci mën nañu ci ñun lay jaar quoi waaw même IEF euh, bu amee benn euh, loo xam ne daf ko war a jàllale ci inspecteur yi wala euh, ci agent yi en quelque sorte daf ñuy informer ñun ñooy def pilotage bi de la même façon aussi inspecteur yi waaw bu ñu waree génn ci lépp lu ñu war a liggéey dañ ci waxtaan toujours dañuy am séance de travail man ak moom par exemple chaque lundi ou bien chaque vendredi dañ tase ñu waxtaan xool lan la ñu war a liggéey ci semaine bi nga xam di ñëw par exemple vendredi daañu ko def euh, loolu nag euh, yombul il faut le euh, parce que piloté yombul samay nawle laa fi nekkal ak ñi xam ne ni ëppale moo leen dara seulement dañ ma jox rôle boobu rek quoi kon ba ci chauffeur yi ba ci gardien yi ba ci lépp lépp nag dañ koy coordonné ah Euh, non bon fan euh, jafe-jafe du ñàkk certes mais man dëgg-dëgg barewuma ci ay jafe-jafe fii quoi euh, parce que comme ni ma la ko waxee yëf daf ma daf ma daf ma ma responsabiliser quoi comme ni ma la ko waxee sànq daf ma responsabiliser entièrement waaw ci rôle yi ma war a joué yëpp dama koy joué seulement nag bu ma ko mënee aussi dañ ma jàppale parce que am naa aussi le pool des inspecteurs sama collègues yi nga xam ne ñoo ngi fi. ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi fi mu nekk nii ñoo ngi war liggéey ci progression harmonisée yi yi nga xam ne nii moom la ñu war a kii pour mettre que à la disposition des enseignants ñu ñu mën a euh, doxal programme bi loolu ñoo koy def en travaille en collégialité c'est-à-dire ñun ñëpp dañuy tase euh, bokk xalaat waxtaan doog a génne génne mbir mi. am nañu programme am nañu programme par exemple euh, su ma la waxee ñun bi école tijjee ba léegi dañuy génn. parce qu'il y a d'abord bu école di doog rek dañuy def euh, ce qu'on appelle euh, une tournée de contrôle hein. euh, contrôler un peu euh, le terrain xool enseignants ndax effectivement ils ont commencé les cours ndax ñu ngi jàngale hein. aussi euh, par exemple problème yi nga xam ne ni moom la ñu mën di jànkoonteel maanaam euh, ndax effectif ndax am nañu classe yu doy am nañu enseignants yu doy ndax aussi élèves yi tamit ñom tamit Euh, ñëw nañu euh, ci njàng mi yooyu yëpp ñun dañ koy def def nañ ko presque un mois euh, sillonné ñun zone yëpp maanaam les cinq districts muy Pout muy Bayax muy Xombol ak Noto yëpp dañuy dugg ci école yi di xool nu muy doxee ak CM yi aussi parce que tamit CM yi ci ñun lañ dépendre quoi.

bon euh, maanaam euh, c'est global aussi parce que fépp foo dem aussi ren dañoo gis ni résultats yi dañoo gën a BFM aussi am nañ 71 pour hein, euh, donc partout def nañu benn saut hein, saut positif euh, bo xamné ni woné na ni vraiment résultats yi gën na euh, examen professionnel yi aussi dañ ci ñu koy waajal parce que Euh, moom tamit ci suñu liggéey la bokk quoi. mën na am gaa retard wante nag ah, loolu du suñ coobare euh, xam nga ñun moom euh, suñ sañoon ku génn ren maanaam ku ku jàll ren ku sa ku sa décision génn ñu ñu ñu seet la lu gën a gaaw wante nag dafay gis ni inspecteurs yi barewuñu noonu. bon ren sax chef de l'État wax na si ba ñu dañoo war a recruter un peu yokk nombre d'inspecteurs yi euh, pour que ñu gën a mën a def liggéey bi ñu war a def ñun loolu la euh, nombre bi moo moo ko matewul wante pourtant euh, en tout cas li ëpp sax ci suñu liggéey boo boo boo seetee bu école tijjee mooy mooy mooy mooy terrain bi maanaam examen professionnel yi ak encadrement enseignant yi maintenant nombre bi dafay bëri ba. des fois ñun sax dañuy permettre dañuy dañuy dem bay gis deux candidats par jour. ñun ñun chaque année dañuy génn bu ñu waree génn ba ba ba mois de juin dañuy génn waaw mais boo gisee candidats yi ñoom ñoo bëri macha allah candidats yi lu tax ñu bëri aussi xam nañu ko ñii dañuy jàll écrit bi examen professionnel am na tamit euh, formation diplomante bi bi nga xam ne aussi ñu bëri ñu bëri dañ siy jàll formation diplômante boobu maanaam ay ay centaines dañuy génn.

yo xamni inspecteur inspecteurs yep dañuy mobiliser wu ñew jappalé ñu. lool biñ ko défé daaw en 3 à 4 jours on a vu plus de 100 candidats loolu jappalé nañu ba taxone ren dañu woon ce maîtriser suñu effectif yi vraiment yaakaaroon nañ dañu maîtriser effectif yi mais malheureusement biñu gisé ñoñu ay ay 100 et quelques candidats euh, malheureusement les courses se sont arrêtées, que par ce que vous savez waaw waaw bon euh, ren moom li ñu leen di ñaax ci ci feebar bi moom feebar bi moom ñëpp xam nañ ko ñëpp gis nañu ko euh, ñoo ngi leen di euh, gërëm bu baax di leen sant xam nañu gis nañu efort yi ñuy def ci terrain bi c'est pas évident wante dañ leen di gën a ñaax rek. Euh, ce n'est pas facile parce que année bi ñu passé daaw année bu doywaar la année boo xam ne nii par exemple toog nañu trois euh, euh, benn trimestre maanaam trois mois yoo xam ne nii jànguñu ko alors ren dañ ko waroon a rattraper doo a mën a commencer programme bu bees bi loolu loolu yombul wante def nañ ci lu ñu mën ba fi mu nekk nii ñu ngi commencer le le nouveau programme Nous commençons le nouveau programme euh, comme nous c'est national euh, nous sommes dans la communauté nous sommes des enseignants mais nous sommes dans la communauté La communauté bi aussi nous nous diglee nous avons orientation avec rek ministère de l'éducation nationale orientation il mu dit moi orientation bi nga xam ne nii euh, docteur dit moi respecter les mesures barrières tant que possible mesure barrière yi defe naa euh, jarul ma ci wat siwaat wante euh, ñëpp daanaka xam nañu ko lavage des mains port du masque surtout Euh, la distanciation physique waaw euh, yooyu yëpp dañ ko wara def enseignant bi da ko wara def mais dafa war a aussi pousse élèves yi ñu ñu def ko waaw yombul nak parce que comme ni ñu koy waxé wax nañ ñu relâchement bi c'est partout ni ñu relâché wo Euh, population yi nu ñu relâché woo ci marché yi ci leneen école bi tamit presque non noonu la demee wante euh, ñun ay modèle lañu dañoo war a vraiment fexe ñu porter masque bi parce que mbas mi yàlla tere su duggee ci école bi du baax du baax li ñu daloon daaw dañuy ñaan ren yàlla bu mu ñu dal nañu continuer ba école tëj ak jàmm ñu defaat examen yi ni mu war a demee 0K euh, enseignant 0K élève c'est M. Abou Beydari inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département euh, heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre service IF Thiès département euh, nous allons vous présenter l'IF de Thiès département. pour cette présentation, nous avons retenu euh, quelques axes, c'est-à-dire les missions et les activités de l'IF de Thiès département, l'organisation de l'IF de Thiès département, euh, la structuration de l'IF de Thiès département, la situation du personnel de l'IF de Thiès département, les résultats scolaires et les priorités du ministère de l'Éducation nationale. Euh, pour ce qui concerne les missions et activités de l'IF de Thiès département. Euh, les missions de l'IFTS département est fixée par le décret 2012-1276 euh, fixant la création des IA et des IF. Euh, modifié par le décret 2017-604 qui fixe les missions des IA des IF. ces missions sont entre autres la mise en œuvre de la politique éducative à l'échelle de la circonscription, l'impulsion et le développement de l'éducation euh, dans la circonscription de, Thiès, ces départements. Et ensuite, la mise en œuvre du pilotage et de l'encadrement des, des enseignants au niveau euh, de tiers département, tant au niveau élémentaire qu'au niveau, des, niveau des collèges et de l'école des écoles préscolaires, des centres d'alphabétisation, euh, euh, des centres d'alphabétisation. Nous gérons le public et le privé. L'organisation est régie par l'arrêté interministériel numéro 10 656 du 8 juillet 2013 relatif à l'organisation et le fonctionnement des IA et des IF. Et ceci est cadré par un organigramme. L'organigramme contient six bureaux qui sont dirigés et pilotés par les inspecteurs de l'enseignement élémentaire et plus de 33 postes de travail. Voilà. 33 postes de travail. C'est le nouvel, organigramme. 6 bureaux et plus de 33 postes de travail. Les bureaux sont gérés par, coiffés par les inspecteurs et les postes de travail sont euh, pilotés par des secrétaires. Ce sont les enseignants. L'IF de Thiès département compte 5 districts. Eh, district de Bayah, district de Noto, district de Hombol, Tchénéba et de Pout. Et ces districts sont subdivisés en codecs. Nous avons 26 codecs qui sont présidés par des directeurs hein, nommés par l'IF sur la proposition euh, des, directeurs. L'organigramme, les six bureaux, les postes de travail, les cinq districts et les districts sont des parties en codecs. Et ces codecs sont dirigés par des présidents des codecs qui sont des directeurs d'école. Et le pilotage et la coordination euh, de l'IF euh, est constitué par une réunion mensuelle avec le pool des inspecteurs, ce qu'on appelle une réunion de coordination. Chaque mois, l'IF réunit les euh, inspecteurs pour voir comment on va travailler. Il y a un plan euh, mensuel de travail. Et chaque fin du, fin du mois, on fait un rapport mensuel de travail qu'on envoie à l'inspecteur d'académie et au préfet du département de, de Thiès. À la suite de ça, euh, on réunit les agents de l'IF hein, deux fois par an. Euh, au début d'année et à la fin de l'année, parce qu'on doit faire une mise à niveau de tout, ce que, de tout le travail hein, que l'on doit faire durant, durant l'année. Et ensuite, euh, niveau aussi pilotage, on fait des réunions des directeurs deux fois par an réunion avec les chefs d'établissement, euh, directeurs d'école et chargés d'école, réunion aussi avec les, les, les principaux des, des, collèges. Donc voilà comment hein, s'organise le pilotage et la coordination de l'IEF. Par rapport à la structuration euh, de l'IEF, nous avons le développement intégré de la petite enfance, le préscolaire, il y a l'élémentaire, il y a le moins. Au niveau de Thiès euh, département, euh, nous avons comme structure de la petite enfance en 2020, nous avons 50 structures. Au niveau de l'élémentaire, nous avons 250 écoles d'élémentaire. Et au niveau du moins, nous avons pour cette année 22 euh, collèges d'enseignement, collèges d'enseignement moins. C'est ça que nous avons par rapport au public et au privé. Nous avons au total euh, 30, 39 en 2019 et 20, euh, 39 aussi en 2020, structures euh, publiques et, et privées. Par rapport à la situation du personnel, l'IF de département compte au total 2725 agents situés dans les écoles élémentaires et dans les, collèges. Ils sont répartis pour le développement de la petite enfance, nous avons 126 agents. Pour l'élémentaire, euh, hommes et femmes réunis, nous avons 1981 agents. Pour le collège, l'enseignement moins, nous avons 597 agents. Donc, euh, voilà la situation du personnel. au niveau du tiers département, pour l'année 2020, nous avons au niveau des élèves, le total, l'effectif total des élèves fait 14 458 élèves au niveau de tiers département. Pour ce qui est des résultats scolaires, au CFE, nous avons enregistré en 2019 50,11% en 2019. En 2020, nous avons enregistré au CFE 65,23%. Au niveau du BFM, en 2019, on, avait, on a eu 47,14% en résultat. Et en 2020, nous avons enregistré 73%, ce qui fait un réel bon. Euh, tant au niveau du CFE que au niveau de, du, BFM. nous souhaitons vraiment maintenir vraiment le cap ou bien même pousser pour ce qui est de euh, l'enseignement élémentaire. Euh, par rapport aux priorités, le ministère le ministre de l'Éducation nationale, lors de la prise sa, prise de fonction, a réuni l'ensemble des IF du Sénégal à Sali pour déterminer les priorités du MEN pour les trois ans ou cinq ans à venir. Parmi ces priorités, il y a euh, promouvoir un climat social apaisé dans le secteur de l'éducation. Ça, c'est une priorité. La paix sociale, un climat apaisé. La deuxième priorité, c'est renforcer l'efficacité et l'efficience dans le système éducatif. On ne peut pas tout avoir, mais par rapport à ce qu'on a et à ce qu'on vous donne, essayez vraiment d'apporter de l'efficacité et de l'efficience pour un bon rendement au niveau de notre système, système éducatif. La troisième priorité, c'est renforcer les capacités des enseignants et la qualité du système. Pour un système de qualité, il faut des enseignants de qualité, il faut la formation des enseignants. Vous avez vu, depuis des années passées, on a formé les enseignants dans le curriculum d'éducation de base, on a formé aussi les enseignants en lecture et en mathématiques, en vue vraiment, en IST, en vue vraiment de booster les résultats scolaires dans le domaine des maths et dans le domaine des, sciences. Euh, donc, importance sur la euh, recapacitation des, des enseignants. Et la quatrième priorité, c'est assurer euh, à tous une éducation de base de qualité. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a eu une ouverture au niveau de l'offre éducative. Donc, on, tous les secteurs sont, euh, euh, touchés et les gens ont demandé qu'on vraiment que l'éducation de base de qualité soit vraiment assurée. L'éducation inclusive surtout. Hein. donc, euh, tous les secteurs hein, euh, doivent être vraiment touchés donc on, pour aller vers la scolarisation universelle. Et la cinquième priorité, c'est la systématisation de l'éducation aux valeurs. Le ministre y tient fondamentalement l'éducation aux valeurs. Assurer, ils nous ont demandé que la mise en rang dans les écoles, ils nous ont demandé la levée des couleurs mensuelles, hein, tant au niveau des services qu'au niveau des écoles, et euh, vraiment euh, certains comportements Hein, vraiment doivent être revisités pour pouvoir installer euh, certains comportements au niveau de nos, enfants en vue vraiment d'améliorer notre, notre système. Voilà les priorités vraiment au niveau euh, du ministère de l'Éducation. Nous avons pris ces priorités. On a copté quelques éléments au euh, niveau de Thiès département pour en faire notre ambition dans un plan de travail annuel pour pouvoir matérialiser ce que le ministre nous a, nous a demandé. Ça, nous l'avons fait au niveau avec le pool des inspecteurs et nous allons chaque année, nous tirons à partir des cinq priorités, on prend euh, les éléments que l'on peut vraiment réaliser au niveau annuel et on essaie de matérialiser ça par un travail, euh, euh, plan de travail annuel et que l'on met en œuvre et, à la fin de l'année, on fait un bilan qu'on envoie à la direction de l'enseignement, de l'enseignement élémentaire. Parmi maintenant les difficultés, mais la demande est forte, etc. La demande de scolarisation aussi est très forte au niveau de ces départements. Il y a des villages qui ont créé, construit des écoles écoles, qui ont construit des classes et qui sollicitent hein, l'ouverture. Mais faute de maître, on a des problèmes pour les, pour les satisfaire. Mais néanmoins, on est en train de faire des efforts pour pouvoir vraiment satisfaire la demande, satisfaire l'offre, euh, la demande, pour pouvoir euh, permettre à tous vraiment d'aller à l'école et, pour pouvoir vraiment ne pas rater le rendez-vous euh, de la scolarisation universelle. En tout cas, c'est les quelques problèmes que nous avons au niveau de Thiès département. Néanmoins, autant que faire ce pot on a une équipe euh, euh, pédagogique, une équipe euh, soudée, une équipe motivée à travers le pool des inspecteurs, à travers les agents. Hein, tous sont motivés pour une bonne réussite au niveau de ce département. Je suis là depuis trois ans, mais on a, machallah, une équipe dévouée, une équipe motivée, tous autour de l'IF pour le développement du secteur de l'éducation au niveau de ces départements. Je ne pourrais terminer sans pour autant remercier tous les enseignants, les directeurs d'école, les partenaires sociaux, hein, les syndicats, tous vraiment euh, les parents d'élèves, hein, tous concours vers le développement du secteur de l'éducation. Je ne terminerai aussi par remercier notre inspecteur d'académie qui nous ne ménage aucun effort pour vraiment euh, le développement du système éducatif de sa région. Thiès avait une tendance baissière, mais depuis deux ans, nous avons une tendance haussière. Je ne terminerai aussi par euh, euh, remercier l'IF de thiès on habite côte à côte, on est à côte à côte, mais on mène nos activités ensemble, on discute, on partage, on vraiment, on est tous soudés pour le développement du secteur de l'éducation au niveau de, de, de Thiès. Côté nous donc si inspection Thiès, l'éducation euh, et la formation pour Thiès département, euh, donne wax inspection nous doxé euh, fan la yam ak euh, ni programme euh, inspection Thiès département boo ko xamee mooy euh, ñi nga xam ne ñooy seetu njàngale mi si biir dëkk bi si si Thiès si wàllu département Thiès am na commune bi nag mais am na cees département ñoom ñoo dem ba Bayax Xombal dem ba cene euh, Ceneba euh, jaar Kayar inspection département le bok aujourd'hui donc on était euh, à l'IF de tiers département euh, pour voir ses missions euh, les perspectives les résultats et les difficultés que l'inspection est en train de vivre et ceci encore démontre encore une fois le travail colossal que mène l'IF, M. Abou Diallo que mène le personnel de l'IF de Thiès département que mène aussi les enseignants au niveau de cette inspection merci beaucoup